Mm-hmm. Nous sommes là avec le président de jury, M. Sec. On lui passe la parole afin qu'il proclame les résultats du jury qui est là au niveau du saint Voilà, Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà, bonjour, euh, euh, chers auditeurs. Nous allons passer donc à la proclamation des résultats du CEM Boro euh, du BFM de 2020. Maintenant, donc, euh, pour les premiers du centre, on a Aïda Gien, le numéro 9, numéro 78. Abiba, numéro 118. Mampati Diakité, numéro, euh, numéro 5, Mohamed Mustafa Nying. Donc, euh, numéro 10 Koddu Gueye Semboro numéro Farma euh, numéro 11 Farma Gueye euh, Semboro numéro 109 Anne-Marie Kouta Darosa Semboro numéro 113 Pape Mohamed Diagne Semboro numéro 185 Gibril Fall Sem Mboro numéro 51 Oumoul Khayri Sem Mboro numéro 61 Serigne Darou Mboup Sem numéro 125 Maria Diallo euh, Semboro numéro 15 Ndeye Mamour Gueye Semboro numéro 49 Seynaboulo Semboro, numéro 37, Elage Malik Bonoua Palokan, Semboro, numéro 54, Mbaye... Semboro, numéro 41, Ndey Oumoul Kebe, Semboro, numéro 232, Marie René Maïva Mbeng, Semboro, numéro 57, Berthe Agnès Mbeng, Semboro, numéro 184, Amsatou Fall, Semboro, numéro 45, Le Djouf Kété, Semboro, numéro 179, Ndei Maram Gité, Semboro, numéro 48, Ndei Sohnolo, Semboro, numéro 202, Adi Gassama, Semboro... numéro 63, Ndei Semboro, numéro 151, Aminata Diop, Semboro, numéro 263, Awa Chongan, CPMS La Lumière, numéro 112, Daouda Semboro, numéro 175, Papa Moussa Diouf, Semboro, numéro 135, Lucie Esther Djedjou, Semboro, numéro 145, Sidi CPMS La Lumière, numéro 186, Mam Diarapal, Semboro, numéro 60, Khadim Semboro, numéro 62, Adamandaou Semboro, numéro 80, Ibrahim Abba Semboro, numéro 146, Suzanne Cécile Choro John, CL, candidat libre, Semboro, numéro 97, Aïcha Kassé, Semboro, numéro 53, Ibrahim Mbaye. Semboro numéro 67 Amingai Semboro numéro 73 Seidaouna Aïcha Aïdara Semboro numéro 142 Mortala CPMS La Lumière numéro 164 Sorna Aïda Semboro numéro 85 Aïcha Badji Semboro numéro 168 Fatou Diouf Semboro, numéro 86 Awa Badji Semboro, numéro 87 Khadi Badji Semboro, numéro 205 Antagai, Semboro, numéro 158 Ndeye Dior Diop Semboro, numéro 92 Asibey Semboro, numéro 94 Léon bon voici, Semboro, numéro 157, Ndey Astou Semboro, numéro 136, GONE Diédjou, Semboro, numéro 123, Mamadou Korka Diallo, Semboro, numéro 99, Ibrahima Sissé, Semboro, numéro 103, Sophie 6, Semboro, numéro 198, Maïmouna Faye, Semboro, numéro 13, Mayram Gay Semboro, numéro 91, Nicole Bassel... Semboro, numéro 116, Fatou Diakhaté, Semboro, numéro 200, Ramatoulaye Faye, Semboro, numéro 36 Aja Diorkan Semboro numéro 154 fatio CPMS La Lumière numéro 50 Ernest Lopez Semboro numéro 24 Ndey Semboro numéro 173 Mohamed El bashir euh, Semboro numéro 12 Fatma Semboro numéro 114 Ndey Fatou Diakate Semboro numéro 129 Lamine Diaw CPMS Soleil Levant numéro 66 Adia c'est Semboro numéro 133 Elage Omar Djibou Semboro numéro 23 Marianne Edwige Mandiam Semboro numéro 69 Binta Semboro numéro 64 Sidi Mohamed Ndaw Semboro numéro 131 Sophie Diaw Semboro numéro 141 Awadien... Semboro numéro 183 Amadou Fall TPMS La Lumière numéro 197 Lat Demba Faye Semboro numéro 139 Aïssa Diène Semboro numéro 143 Ndei Poika Dit Khadi Dien Semboro, numéro 149 Adama Diop Semboro, numéro 44 Sorna Fatiken Semboro, numéro 22 Catherine Labouré Malo CPMS La Lumière, numéro 16 Boubacar Idriss Mahmoud Semboro, euh, numéro 251 Dame Sec CPMS La Lumière. Numéro 102, Ousseinou 6, Semboro. Numéro 59, Véronique Anna Mbeng, Semboro. Numéro 220, Sokna Awa Boussoukoulé. CPMS La Lumière. Numéro 40, Ndei Maguette Kebe, Semboro. Numéro 56, Adama Mbeng, Semboro numéro 43 Serigne Mohamedou Ken Semboro, numéro 176 Pape Samba Diabo Diouf, CPMS La Lumière, numéro 108 Acha Kumbasa Semboro, numéro 7 Mbaye Semboro, numéro 245, Anne-Catherine Ndong, CPMS La Lumière, numéro 107 Seyou Koulibaly Semboro, numéro 201 Sorna Pedior Temboro numéro 187 Mamor Fall Semboro, numéro 212 Abdoukan Temboro numéro 268 Aminata Wan CPMS La Lumière, numéro 52 Mabey Mar Semboro, numéro 174 Oumoudiouf Semboro, numéro 126 Nogay, Nogay Diaw, c'est Semboro. Numéro 134 Khadijatou Djedjou, Semboro. Numéro 209 Mustafa Kani, CPMS La Lumière. Numéro 122 Malal Diallo, Semboro. Numéro 42 Aoumikade Semboro. Numéro 89 Fatou Balde, Semboro numéro 152 Dédé Rosalie Diop Semboro, numéro 89 Ndey Ramafal Semboro, numéro 46 Magat Khol Semboro, numéro 95 Youssou Mariko Kamara Semboro, numéro 1 Aminata Diaw CPMS La Lumière. Donc fin de liste. La liste est arrêtée à 112 admis au premier tour. Maintenant, nous allons procéder à la formation des candidats proposés aux épreuves du second, groupe. Numéro 113, Samba Sao, Semboro. Numéro 229, Mohamedou Fadal Mbaye, euh, candidat libre, Semboro. Numéro 84, Abdoulaye Junior Bati, Semboro. Numéro 100, Yvonne Germaine 6, Semboro, numéro 105 Abdoulaye Koulibaly, Semboro, numéro 195 Fatou Anne Aram Semboro, numéro 128 Raoul Adalbert de la Montagne Diata, Semboro, numéro 235 Oumoumbouch, CPMS La Lumière, numéro 252 Serigne Fallou Sec, euh, candidat libre Semboro numéro 4 Mariama Gaye euh, CPMS La Lumière numéro 65 Abdoulaye Mohamed Ndiaye Semboro numéro 88 Papa Bakhoum Semboro numéro 2 Goro Diop candidat libre Semboro numéro 14 Mbacho Gueye Semboro numéro 17 Mansour Kol Semboro numéro 124 Mambiara Diallo Semboro numéro 222 Mansour Lam TPMS La Lumière numéro 71 Khadija Ndiaye Semboro numéro 246 Adja Djarasal, TPMS La Lumière numéro 35 Abdelahi Khalidou Khan Semboro numéro 55 Serigne Fallou Semboro numéro 203 Ndeye Gassama Semboro numéro 250 Amisek. CPMS La Lumière numéro 3 Penda Gaye Diop euh, candidat libre Semboro numéro 136 Mati Ndiaye Semboro numéro 28 plutôt. Donc, Matin Ndiaye, euh, candidat libre Semboro, numéro 119, Botor CPMS La Lumière, numéro 160, Ndei Oulimata, Ndei Oulimatou Diop. Ndei Matu Diop, Semboro, numéro 106, Marie-Espérance Angélique Koulibaly, CPMS La Lumière, numéro 130, Mamadou Diaw, CPMS La Lumière, numéro 227, Adimbaï, candidat libre Semboro, numéro 70, Issa Ndiaye, Semboro, numéro 260, Boussi, candidat libre Semboro, numéro 98, Geneviève Rosalie Semboro, numéro 110, Omar Semboro. numéro 230, Ousseinou Mbaye, candidat libre Semboro, numéro 204 Aramata, Djemé, Furtado, Guandensio. CPMLS La Lumière. 237 Ramata, Djamilatou Djeju, Candidat euh, CPMS La Lumière. Numéro 68 Atunjaï, Semboro. Numéro 132 Abdoulaye Baké Djedjou, Semboro. Numéro 165 Tcherno Semboro, numéro 39, Daoul Kanté, Semboro, numéro 248, Major Semboro, numéro 58, Marie-Simone Beng, Semboro, numéro 90, Léopold René Gabriel Bass, Semboro, numéro 182, Aïssaou Fall, Fahle. Semboro, donc numéro 264, Fatim Choun, CPMS La Lumière. Donc, numéro 104, Valentin Nicolas Oli, CPMS La Lumière. Numéro 172, Mariem Ndoumbe Diouf, candidat libre Semboro. Numéro 17, Asanka Semboro. Numéro 148, Abou Aziz Diop Semboro. Numéro 180, Marie-Ernest H. H donc c'est Semboro numéro 153 El Haji Youssoufa Diop euh, Semboro numéro 249 Mor CPMS La Lumière numéro 144 Seyna Boudien Semboro numéro 167 Mbaye Semboro numéro 77 Assane CPMS Serigne Mansour numéro 170 Khadija Diouf Temboro, numéro 188 Morphal T.P.M.S Soleil Levant, numéro 265 Assou candidat libre Semboro, numéro 18 Yarika Semboro, numéro 38 Marguerite Viviane Seynabou Kampani Semboro, numéro 82 Sadioba T.P.M.S La Lumière, numéro 192 Awafai. CPMS La Lumière, numéro 171 Maguette Diouf, Semboro, numéro 216 Abou Bakri Khan, Semboro, numéro 110 Abidja, CPMS La Soleil Levant, numéro 140 Amidjene, CPMS La Lumière, numéro 115 El Haji Abdou Aziz Diakhaté, CPMS La Lumière, numéro 81 Khardiataba... Semboro numéro 186, Ibrahim Semboro Temboro... numéro 20, Aïssatou Loum, Temboro... numéro 178, Seina Boudjouf... Temboro... numéro 25, Bouyembeng, candidat libre Semboro, numéro 30, Aminata CPMS La Lumière, numéro 162, Kandjoub, Semboro, numéro 34 Mam Aram Wad, candidat libre Semboro, numéro 127 Ali Bila Joachim Diata, Semboro, numéro 156 Martamba Diop, candidat libre Semboro, et numéro 238 Kumbandaou, MS La Lumière. Donc la liste est arrêtée à 79 candidats proposés aux épreuves du second groupe, maintenant qui sera fait le mercredi 23 voilà allô, Allô, monsieur waaw monsieur euh, donc je suis présent président du jury je vais maintenant mon moo nekk seen donc si statistiques il y avait donc 268 inscrits. 268 268 inscrits. 268. Il y a y a eu 9 absents. 9 absents. et au premier groupe il y a eu 112 admis d'office. très bien. Et au second groupe, il y a eu 119 candidats qui donc euh, doivent passer les épreuves du second groupe. Ah, il est, euh, monsieur Nia waaw yow nga nekk euh, professeur foofu ci CM euh, Mboro 1. Mhm. Mhm. est-ce que mën nga ñoo defar rek jàngat bu ndaw rek ci résultat yi nga xam ne ni moom moo tukkee ci BFM bi. waaw li ñuy sant euh, borom bi. Mhm. parce que bu ñu xoolee résultats yi nga xamante ni ñoo génn ci premier groupe bi. Uh-huh. dañu xam ne sincèrement ñàkk le travail qui paie. parce que yaa ngi dynamique bi nga xamante ni moo nekk fi au niveau du collège. Uh-huh. il y a l'esprit d'équipe qui prévaut au niveau de l'établissement. Mhm, mhm. Et donc, nous pouvons y aller du Dorondo. Donc, sincèrement, ces résultats-là, bon, bête une trop. Mhm, Malgré donc, euh, situation, situation, ben, xamanteni mom lañu nous nous ci xamanteni mo nek ci aduna ci yépp. Waaw, donc euh, sincèrement, c'est le fruit de euh, toute l'équipe qui est là, sincèrement. Mais en tant que en tant que aussi pédagogue, alors d'après les les les conditions, hein, les conditions de travail, euh, mhm. euh, euh, qui sont au niveau du CM. E Alors, qu'est-ce que vous, vous, vous devez faire ou bien qu'est-ce que les populations doivent faire pour au moins arriver un jour à avoir un 100% au niveau du CM e Parce qu'on sait que la mhm. qualité y est, les élèves mhm. sont, sont, braves, les professeurs aussi sont dynamiques. Alors, que, pensez-vous que la population doit faire pour pouvoir booster le, le CM e à arriver à, un, 100% Pourquoi pas Effectivement, là, on n'explique pas. Mais vous savez, l'éducation, c'est un tout. Mhm, mhm. Il faut que nécessairement chacun joue sa partition. Effectivement. Et nous, à ce qu'on attend donc des populations, mhm. c'est surtout qu'elles nous accompagnent donc dans cette noble mission que nous assigne donc l'État. Si vraiment donc euh, au niveau de l'école, on se donne corps et âme pour que les enfants réussissent, il faut qu'au niveau des familles aussi, parents, ils appellent les nous donc gestionner donc de l'établissement. Mais vous faites que par exemple, il y a au niveau des maisons là, amul suivi. Wow. en toute honnêteté du yomb pour ñu génn si ñun à nous seuls. dëgg la dëgg la dëgg waaw donc c' est surtout ça quoi des mesures d' accompagnement la part kon euh, ñu sant la gërëm la bu baax monsieur Niang. voilà monsieur Senghor merci euh, gërëm leen yéen équipe bi nekkoon foofu yëpp euh, ci CM Mboro 1. ñu def benn rappel rek bu gaaw ci li nga xam ne ni moom moo tukkee ci résultat yooyu foofu ci CM Mboro 1. foofu ci CM Mboro 1. foofu ci CM Mboro 1.